est temps, il est l'heure. pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fetna rodna watay. Kukaye si. Barkaji modon e, e wonta golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Il est 11h et c'est l'heure de notre émission Les Niger sur Kalango. Vous, êtes, et euh, vous nous écoutez en direct sur les ondes de nos radios partenaires. Je suis Rekia Arimi à ma compagnie Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment tu vas ce matin Je vais bien Rekia et toi Je vais bien aussi. Un coucou à Adama Dawaki qui sur l'édition et Mustafa Yuba à la technique. Rekia, alors dis-nous quel est le menu du jour Nous débutons cette émission par des informations. D'abord avec le flash, ensuite euh, la revue de la presse nigérienne. s'ensuivra la rubrique hebdomadaire consacré à l'entrepreneuriat. Ces derniers, dans ces derniers numéros de la semaine, nous partons à Maradi pour danser un peu le takaï. Ah, vous aimeriez bien savoir comment ça se danse, n'est-ce pas Eh bien, restez câblés. Et ne manquez pas également notre rendez-vous avec l'invité du jour, un artisan passionné du métier. Il est formateur à maroquinerie et botterie. Il s'agit de M. Boubacar chez vous. Mariam, tu n'oublies pas quelque chose par hasard Mais non, le Niger sur Kalangu, c'est surtout de la bonne musique qui sera servie à nos auditeurs, de bons rythmes pour boucler la semaine. Pour commencer, chers auditeurs, nous sommes avec Nafisa Serfo pour nous présenter le flash d'information. Bonjour Nafisa. Bonjour Akia. Bonjour Mariam. Bonjour, Bonjour. à tous. Euh, la Russie va aider le Niger dans le règlement de ses problèmes socio-économiques et humanitaires. L'annonce a été faite hier au cours d'un entretien entre Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, et le ministre nigérien de la Défense Salif Modi et celui des Affaires étrangères Bakaria Sangare. La situation dans la région saharo-sahélienne a également également été au cœur des échanges entre les deux diplomates, rapporte le média russe Sputnik. Moscou et Niamey entendent par ailleurs approfondir leur dialogue politique et coordonner leur action au sein de l'ONU et d'autres organisations pardon, un accident de la circulation sur l'axe Niamey-Dosso a coûté la vie à trois personnes et 30 autres personnes sont blessées. C'était le mercredi aux environs de 19h, plus précisément de le village de Tombokena. C'est un bus d'une compagnie de transport de la place en provenance de Niamey qui a dérapé et a fini sa course après plusieurs tonneaux. Cette information a été confirmée par une source sécuritaire jointe par notre correspondante de Dosso, Nana Hadizassan. Enfin, la campagne annuelle de vaccination vaccination gratuite du cheptel édition 2023-2024 a débuté ce mercredi dans la région d'Ottawa. Seront vaccinés plus de 7 millions de têtes éligibles respectivement contre la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants et contre la pasteurolose cameline. C'est la fin de ce flash d'information. Merci, Nafissa et bonne journée. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt dans cette émission, nous accueillons Boubacar Ndiouchebou, artisan maroquinier. Il est aussi entrepreneur dans le secteur professionnel et formateur à maroquinerie et botterie. Bonjour Chebou. Bonjour. Merci de nous honorer votre présence dans cette émission. Mais avant de vous donner la parole,

wanda ya so ni sai na so shi wanda ya ki ni sai na ki shi wanda ya bani sai na bashi ko ya yi kwance ko ya tashi mai so ya kar ni sai na kar shi wallahi tun da ya dau bashi mugu na barci ba a taba shi sai lallashi harkar wa ƙarya gaba ta wuce baya tirni da taɓarya addu'a ta uwata wallahi Allah ta gama komai na sha tabara na sha la na sha maganin ƴaƴan eh, eh haka ne aka gan mu kuma a mu ya zama dole. Zancen ba ƙarya amarya ce ga tallalle. Duk ƙaryar fata in wuta ta hause ta sale. Ku tsaya daga nan dai fadar mu mun riga mun kulle. Allah ce ba mu in kai ne ka rike kaya. Mohamed Nadanko nous a quittés en 2023 dans un accident. Le chanteur, le feu Mohamed Nadanko a emprunté le nom de son idole Ibrahim Danko, un chanteur nigérien, auteur de la chanson Tambura Mossoya. Oui, Rekia Mahmoud est un artiste au talent multiple car il agit sa passion qui est la musique à l'humour avec beaucoup de douceur. On vous laisse kiffer Zaki qui signifie le lion a crié. al'ada. Kowa nashi, kowa ya nashi mai rabo ya riga ya samu. Duniya sai Allah waye yake da numfashinmu. Wani dole ya soka, wani ya ƙi mu ƙaryarmu. Shi ne lillahi wanda ya baka shi zai ba. A ci ba a sayar ba, kaza ta ɗara doki. ni ina yin maka kuma cikin ta na kai yaki dukaryar yaro na ci aradu ya san zaki kai gyara shirinka ko taɓa mu sai ya ji mu eh na dankwane dai mai ri na dankwane dai mai rima eh yana kara yana kara yana kara shimfiɗar tabarma. Hassada ciwo ce mai ta zahiri mai girma, kuma kowane tsuntsu kuka gidansu za a yi ma. Babu mai iya yi ma, a rado rabbi shi ke yi ma, arziki sai Allah mu dai mu tashi da yi nema. Asalin kowa ƙauye a can iyaye suka girma, don kwale dai imai e rima e na na ƙara. ko eh gara ta amarya ciki akan sako alfaki zaure zaure dole sai akwai alkuci sarki algaita ake masa boka kaji eh bindiga sai soja rago sai ya kwana da raci maki maki ne tamkar bawa ne gadoci eh ya san cewa baya hawa sai 'ya'yan sarki amma zai share kirke ya kai wa gona taki rainin mai raini yaro na ce kawai daidai ne shari'a sai Allah ranar ma a bidar wani lauya eh wada na na kara na dan kwane dai mai ri na dan kwane dai mai ri ma eh wada na na na kara zan zan zan da motoci na zan zan zan da harkoki na zan zan zan ni babu ruwa na zan zan zan dole in ci kuɗi na zan zan zan wanda ya mini rana zan zan zan dole da yi masa rana zan zan zan haka za a ganna a zan zan zan eh mana na ƙara. Chers auditeurs, après cette pause musicale, retour au studio pour euh, rentrer dans le vif du sujet avec notre invité du jour, Boubacar Nyandou Cheibou. Je rappelle, il est formateur en maroquinerie et botterie et aussi un entrepreneur dans le secteur professionnel, en particulier les cures. Alors, monsieur Chebou, d'où vous est venu l'amour de, de travailler le cuir Bon, chers auditeurs, hum. je vous remercie et je vous salue aussi. Donc, euh, par rapport à la maroquinerie et la beauté, c'est un métier que j'ai appris dès au bas âge mhm. avec mon papa. Donc, je l'ai appris sans même le savoir. J'ai commencé dès au bas âge, j'étais en classe de CE2 quand je faisais le métier. Et au fur et à mesure, je faisais le métier, je partais à l'école. Donc, j'ai fait le bac C, j'ai fait la gestion commerciale. Mais il s'est avéré que toutes mes formations que j'ai eu à faire, je les ai faites dans le métier de la maroquinerie ou de la botterie. Hmm. Qui parle de la maroquinerie parle de la confection ou la réalisation des sacs, des ceintures, des portefeuilles, etc. Et qui parle de la botterie parle de la réalisation ou la confection des chaussures, tout genre. Ça peut être des sandales, ça peut être des ballerines, ça peut être des mocassins, tout dépend. Et quel est votre parcours dans le monde de la maroquinerie mon parcours, j'ai eu à faire beaucoup de choses. J'ai eu à créer, à faire d'abord la formation initiale. Et j'ai été formé aussi au niveau du centre CMCN, le centre des métiers du curé d'art du Niger. J'ai été formé à Tunis et j'ai eu des formations aussi en Italie. Donc du coup, toutes ces formations que j'ai eu à faire, ça cadre avec le métier Cure Mhm. Donc, c'est ce qui m'a poussé même à monter une unité de production rattachée à un centre de formation qui est l'entreprise Le Concret. Mhm. Donc euh, voilà. D'accord. Vous disiez avoir suivi des formations. En quoi consiste exactement votre travail en tant que formateur en mannequinerie et botterie Ok. Mon travail, c'est que c'est pour pouvoir transmettre mes connaissances que j'ai eu à acquérir durant tous ces parcours, presque 30 ans dans le métier. Donc, euh, c'est pour transmettre d'abord le dessin d'art, le dessin technique, la technologie professionnelle et la réalisation de ces de la transformation de ces, de ces deux corps de métier. Hmm. Quels sont les aspects les plus gratifiants de l'enseignement de ces métiers artisanaux à d'autres personnes Ok, l'avantage c'est que l'avantage de, transmettre ces connaissances, d'abord ça, ça, valorise et ça permet aux formateurs même de faire des recherches des recherches liées d'abord au Nord, à la tendance et maintenant à la créativité. Donc du coup, quand tu enseignes, forcément que tu dois faire des, la recherche d'autres connaissances supplémentaires, complémentaires, qui va te permettre d'être à jour. Mhm. Parce que qui parle des choses techniques parle de l'amélioration au fur et à mesure. Parce que chaque instant, vous allez voir que le monde évolue, les travaux, il y aura toujours des perfectionnements, il y aura ce qu'on appelle la tendance des couleurs, les modes et en même temps les normes à respecter. Donc du coup, si on enseigne, on, parvient vraiment à faire que des recherches et à transmettre ces, connaissances aux apprenants. Et ces apprenants, nous voulions que ces apprenants deviennent encore d'abord des artisans, mais aussi des chefs d'entreprise. Parce que quand la personne maîtrise mieux le boulot, ça va lui permettre d'avoir l'esprit entrepreneurial qui va lui permettre de mettre en place son propre entreprise pour mhm. pouvoir vraiment répondre aux besoins de, mhm. du monde. D'accord. Alors, la maroquinerie est un métier qui allie créativité et technique. Comment trouvez-vous l'équilibre entre ces deux aspects dans votre travail Ok. Et qui parle de technique parle de la maroquinerie, forcément. Mhm. La maroquinerie, en termes clairs, c'est la géométrie. Et qui parle de la géométrie dit forcément la technique. Donc, quand on parle plus loin, la botterie, c'est le plus compliqué que la maroquinerie. Hmm. Parce que la botterie, c'est la réalisation des chaussures. Et qui parle des chaussures, il parle d'abord. Les chaussures ont trois normes, qui est la tendance, et le design et les normes. Mhm. Donc, il faut respecter la confortabilité dans chaque chaussure, il faut respecter le design et il faut respecter les normes. Tandis qu'au niveau de la maroquinerie, c'est esthétique. Donc, du coup, tu peux prendre un sac qui ne va rien prendre que les clés ou un parfum. Mhm. Donc, les techniques appliqué dans la maroquinerie, c'est lié à la mathématique. Et les techniques appliquées au niveau de la botterie, c'est aussi la mathématique. Donc du coup, c'est ça l'avantage que j'avais eu parce que j'ai fait le bac C, qui m'a permis d'avoir des connaissances mathématiques qu'on peut toutefois mettre en place. Même si un apprenant n'a jamais été à l'école, il va forcément appliquer les règles mathématiques sans le savoir. Hmm. Donc du coup, mais quand tu vas à l'école, ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu appliques à la lettre. Donc du coup, et tu ne peux jamais être un bon artiste sans pour autant avoir les notions mathématiques. C'est soit tu l'appliques sans le savoir ou tu l'appliques vraiment en connaissant vraiment les règles appliquées dans la mathématique. Mais c'est chez vous, y a-t-il des techniques ou des styles spécifiques dans la maroquinerie que vous trouviez particulièrement fascinants et ou innovants en ce moment Oui, c'est surtout l'esprit créativité. Parce que quand on veut faire la créativité, c'est après avoir maîtrisé les processus et les exercices de base de la maroquinerie qu'on va au-delà de ça, qui est quoi l'esprit créatif. Comment créer un modèle Sur quelle base on crée un modèle Avec quoi Quels sont les appuis, sur quels appuis on se base pour pouvoir créer euh, un modèle. C'est ce qu'on appelle en, design et modélisme le plan de collection. Aujourd'hui, on peut venir dans la nature, regarder les formes euh, de la nature. À partir de ces formes, on peut tirer extraire déjà un modèle ou un design qu'on a eu à faire et implanter ça sur soit des chaussures ou des sacs et ça donne un design très captivant ces métiers, Ça me donne envie d'aller m'inscrire. Hein. Je vais avec toi là. <laughs> Mais avant de continuer cette discussion sur l'évolution du secteur de la maroquinerie et votre entreprise, nous allons passer à la revue de la presse présentée ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour, Bonjour Mokhtar. Bonjour Rakia. Bonjour Mariam. Bonjour. Alors, Mokhtar, sécurité avant démocratie au Niger, l'approche Controversé du président de l'Association islamique du Niger. Titre en gros le quotidien d'enquêteur de ce vendredi 19 janvier 2024. Oui, Rakia, pour le chef religieux, dans une interview en langue zarma, il faut que nos vaillantes FDS restent au pouvoir tant que l'on n'aura pas éradiqué toute trace de terrorisme dans notre pays, voire dans tout le Sahel, nous apprend le quotidien L'enquêteur. C'est clair, l'idée d'une transition éphémère est rejetée aux orties. Elle durera le temps qu'il faudra, tant que de solides fondations ne sont pas posées. Euh, dans le tribunal des crises qui frappe le Niger, la déclaration du président de l'Association islamique du Niger sonne comme un coup de tonnerre aussi surprenant que perturbant, poursuit le quotidien L'enquêteur. Attaque du poste de contrôle de Laoudou quand le terrorisme frappe jusqu'aux portes de Niamey, titre en gros l'hebdomadaire Niger interne. Et oui, Mariam, selon le journal, le 11 janvier 2024, aux environs de 20h20, le poste de contrôle de l'escadron de sécurité routière et d'escorte de la gendarmerie nationale a été pris pour cible par des individus armés à Laoudou, un petit village situé à 17 km au sud de Niamey sur la route de Saï, région de Tilabéry les assaillants étaient arrivés à hauteur du poste de contrôle à bord de deux véhicules Toyota Hilux et ont ouvert le feu sur tout ce qui bouge avec des visites mitrailleurs provoquant une panique indescriptible. À leur arrivée, ils étaient camouflés sous des bâches pour certainement ne pas attirer l'attention des gendarmes qui assuraient la sécurité des lieux. D'après les sources sécuritaires qui ont rapporté l'information, les gendarmes qui étaient sur place ont opposé une vive résistance face aux assaillants. Les mêmes sources font état de trois civils euh, tués et qui étaient à côté d'une boutique et sept personnes blessées parmi lesquelles deux gendarmes et cinq civils et trois véhicules emportés. Euh, tous les blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire de Lamordé à Niamey. Mokhtar, euh, du côté coopération, le Premier ministre Lamine a mission de prospection à Moscou, Ankara et Téhéran, titre de son côté le journal en ligne Actu Niger. oui, qui a à la tête d'une importante délégation composée des membres du CNSP et du gouvernement de transition, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine a entamé depuis lundi une visite de travail en Russie avant de mettre le cap en Turquie et en Iran, rapporte Actu Niger. Avec cette nouvelle offensive diplomatique, Niamey entend ainsi ouvrir un nouveau chapitre en matière de coopération à travers la diversification de ses partenaires après avoir pris ses distances avec l'ancienne puissance coloniale, la France. À Moscou, Ankara et Tiran, les échanges vont porter sur les moyens de renforcer et d'intensifier les relations dans divers domaines prioritaires, notamment la défense, le commerce, les mines, l'énergie et les infrastructures. De son côté, le quotidien, la nation estime qu'en choisissant ces ces deux pays plutôt étiquetés dans le jargon occidental, le Niger entend faire de la diversification de ses partenaires une réalité tangible et surtout bénéfique à son peuple. Mokhtar Debazoum, les deux conditions posées par le CNSP à la CDAO, titre de son côté l'hebdomadaire des canards en Incontestablement, ces derniers temps, la position du CNSP et du gouvernement de transition évolue positivement grâce à la médiation togolaise. Le courant semble bien passer entre le CNSP et le Togo, un pays qui s'était montré, en dépit des sanctions de la CDAO, très compréhensif à l'égard de la situation née des événements du 26 juillet, selon le canard en furie. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 19 janvier 2024. Merci Mokhtar pour ces informations. Chers auditeurs, c'était la revue de la presse. À présent, nous allons continuer la discussion du jour avec notre invité Boubacar Nyendou Chebou, formateur en maroquinerie et botterie et aussi un, entrepreneur dans le secteur professionnel, en particulier le cura. Alors, à euh, Chebou, comment évolue le secteur de la maroquinerie depuis que vous en faites partie Ok, par rapport à la maroquinerie et à la botterie, il y a eu une évolution en dents si je peux le dire, en dents parce que ce qui manque au niveau de l'artisanat, c'est surtout la formation. Quand on regarde au niveau des artisans, il y a beaucoup une manque de formation, de perfectionnement. Et cette formation est liée à quoi Ça permet aux artisans d'avoir l'esprit créatif. Et quand on regarde banalement aujourd'hui, au niveau du village, au niveau du musée, au niveau du centre des métiers d'art, les gens ne font que copier les mêmes produits. Donc du coup, ils ont du mal à pouvoir écouler ces, ces produits comme ça se doit en avant. avant. Donc du coup, si ces jeunes-là ou ces artisans n'ont pas reçu ou n'auront pas des formations complémentaires, ils vont continuer à toujours copier le même modèle qui ne va pas être vendable à la portée de tous. Donc je pense que l'artisanat souffre pour l'instant et on a besoin vraiment qu'on amène des changements, des apports de formation pour que vraiment on essaye de, de prendre ce volet vraiment en valeur et qu'on arrive à, attirer vraiment les avantages dont nous disposons. Qui est quoi Parce que le cure local est là en quantité et en qualité. Mais si on n'arrive pas à le transformer euh, aux besoins de nos clients, ça ne va jamais nous apporter grand-chose. Donc il y a deux volets que vraiment l'État devrait nous aider par rapport à ça. Le volet tannerie, qui est quoi Le traitement des cures pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir leur donner une qualité supérieure. Parce que quand on regarde, on remarque le cure traité au Niger, nous avons un petit problème là-dessus, qui est quoi quand on l'amène là où il y a l'humidité, il laisse des moisissures et ça donne des odeurs. Maintenant, les mêmes cures vont être rapatriées ici pour amener ça au Nigeria. Les triti, une seule peau achetée ici à 200 francs, ramenée au Nigeria, Triti, ramenée au, Niger, on le vend à 2000 francs. Regardez la différence de 200 à 2000 francs. Donc, du coup, l'État vraiment devrait mettre en place une unité de production ou de transformation, une tannerie moderne qui va nous permettre d'abord de transformer le cuir local mhm. et euh, pour pouvoir avant de l'exporter et de deux essayer de former les secteurs des cuirs et peaux avec une formation de perfectionnement dans les divers métiers pour pouvoir leur donner l'esprit créatif afin de créer, d'innover des nouveaux produits qui vont être à la demande de, de, la population et à la demande du monde. Monsieur Chebo, en tant qu'artisan, je, suppose que vous avez votre propre style, vu que vous disposez d'une entreprise. Quelles sont les valeurs que vous cherchez à, votre, à transmettre à, à vos, à vos <laughs> apprentis, hmm. excusez-moi, dans le domaine de la maroquinerie Ok. Euh, par rapport au style, et le style, c'est de miser vraiment sur et c'est que quelqu'un n'a jamais fait tout en restant dans notre coutume. Mhm. Et il y a un adage qui dit qui veut avoir ce que l'autre n'a pas eu, il faut faire ce que l'autre n'a pas fait. Donc du coup, si tu veux réellement gagner plus que les autres, il faut nécessairement innover, créer et miser sur la qualité, et la créativité, et maintenant que ces articles donnés soient des articles vraiment en pièces uniques ou bien qui sortent carrément de l'ordinaire. Mhm. Là, tu peux vraiment le vendre à la portée de tous. C'est ce que j'ai eu toujours à dire avec mes apprenants que voilà, ça ne sert à rien de produire en quantité, mais c'est de produire en qualité. Et la qualité, qui parle de qualité, fait appel d'abord à l'esprit créatif, aux normes et à la qualité et l'estime. Alors, M. Cheche, vous pouvez vous partager une anecdote mémorable liée à votre expérience en tant que formateur ou artisan marocain Ok. Ce qui m'a poussé surtout à mettre même l'unité de production ou l'entreprise en place, j'ai eu à faire une formation à Tunis. Donc, du coup, quand j'étais là-bas, j'ai eu à visiter des entreprises qui ont plus de 150 ans. 150 ans, de survie de 150 ans. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas au Niger parce que tout ce qui est compétence est déjà disponible. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de mettre seulement le dispositif en place mhm. afin de former les jeunes Nigériens. J'ai eu des appels au niveau de la Tunisie. Ils ont toujours voulu me garder là-bas. Mais j'ai dit, je viens au Niger. Le Niger a besoin de moi parce que la jeunesse nigérienne si on les forme dans ce métier, nous avons d'abord le cœur de qualité en quantité. Mais c'est chez vous comme les Hausa disent, guida <laughs> D'où peut-on vous trouver si besoin euh, vous trouvez, en fait, vous retrouvez. Euh, mon, entreprise se trouve au niveau de Kwartagi, sur la route de la latérite de chez Omar Dogari. Donc, euh, dès qu'on part là-bas, voilà, notre entreprise se trouve là-bas et le centre de formation. Donc, c'est là-bas qu'on forme les jeunes, c'est là-bas qu'on fait la production. Mais notre boutique se trouve à, la piscine olympique. Merci, merci chez vous. Voilà, merci. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Mariam, passons à présent à la rubrique entrepreneuriat. Oui, Rekia, notre rubrique hebdomadaire dédiée à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Haïssa Hamadou s'est entretenue avec euh, Madame Marie Sidikou. Elle est étudiante à l'Université des Anders, mais à ses heures perdues, fabrique euh, deux produits cosmétiques. une entreprise qu'elle a créée pour éviter le chômage après l'obtention de son diplôme. Aiki hannu wani iri kike yi? Harka yi sabon da gomash, sabon delesi, sabon in wanka da man kai duka. Kamar harka cosmetic dai. Tun yaushe kika fara wannan aiki? To ban kai yan nan ba na dai kai kamar dimuwa haka tsakanin disu da na fumuwa hakan Kamar wannan aiki hannu da kike yi, kin samu wata kungiya ce ta koya miki ciki ne ko kin ta yi ekol ne kin koye shi, ko ko gida dai ne kika koye shi. ga aikin hannu saura na koya gida tun da kamar fasiyon ce ina son harkar shi harkar cosmetic kuma saura na ta na yi formation. Kamar in kika yi kayan da kike saidawa kina samun masu saye? Eh ina ina samun masu saye kuma ina tura ne mai ina tura a gadas kuma nan ma ina nan inda nake ana saye kuma. Wani irin ci gaba ne kike nan kina samu cikin wannan aikin hannu da kike yi? Akwai ci gaba sosai tunda shi aikin hannu in ka iya shi koyaya baka taɓewa tunda ko ba kai ka saida ba kana iya ma kanka ka yi aiki da shi. kuma balantana ma in ka saida ko yaya kana samun benefit ciki kenan ko ai alhamdulillah ba ka rasa abin da dai zaka kashewa kuma kana kamar ka dogara ba ni sai miji ya maka yana ruwa asiri sosai wani irin matsaloli ne kike fuskanta cikin wannan aiki kowace harka ba ka rasa matsala cikin ta me kamar yanda kaya suke tsada yanzu sai a hankali kuma su mutane duk yadda ki gaya musu abu sai su ga tsada shi kuma yanzu kiliyan in ma sai a hankali. Wani irin kira zaki ga 'yan uwanki mata waɗanda suke zaune gida ba su nan ga aikin komi? Ina kira gare su da su tashi su koyi sana'a hannu tun da gaskiya tana da mahimmanci sosai ko da kana karatu tun da ni gashi yanzu ina karatu ina zuwa university kuma ina gamawa da, da harkar aikin hannu. baka kwanta ka ce in kai karatu dole dole sai ka samu aiki ko ko dole dole wannan karatun da shi za ka dogara amma kana iya yin biyu tunda baka san inda Allah zai ɗaukaka ka ba. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique entrepreneuriat. Nos salutations à nos auditeurs qui nous écoutent actuellement à Zender à travers la radio Chokora sur les 105.5 MHz et la radio Ikrawa Bandé 90 MHz. Avant de continuer cette émission, nous allons encore souffler en musique, n'est-ce pas, Mariam? Oui, Rekia, le prochain sur la liste est le titre Takai du groupe Mamaki Boys. fa ka canza ni jarab ta ci gaba dole ne fa ka ci gaba kera waƙa kanka dan ba mu mun kera sai ka kai ka kawo mun je mun dawo da shi muke taka ta kai idan ka daddamu da mu su ƙoƙa sun sa riga sun hana jirgi sam idan ka yayyarda da mu sai ka ɗauko ice dan ka tashi mu shirya dan ka tashi mu tsara dan ka tashi mu rabka gajiyan mu da nishaɗi. To ga wata na ta kukan yunwa, kuma ga wani na ta kukan bashi, kuma na jan Allah zo est une danse qui se pratique par le jeune avec des bâtons. Vous aurez plus de détails dans quelques instants dans notre rubrique Éco des régions. tana tsana tare da shi shi kuma shi na tare da su mun gani mun shaida toni ya biya bashi basho ya biya bashi kuma kun biya bashi mun gani mun shaida ufan biki ta kai ta kai mu kuma muna tare Takay de Mama Mamaki Boys. Et nous voilà de retour au studio après cette pause musicale. Nous allons passer au reportage à région, n'est-ce pas, Bien sûr, Mariam, ce matin, nous allons faire un tour à Maradi pour découvrir la danse du Takaïa, une identité culturelle de la région de Maradi en voie de disparition. Selon le directeur régional de la culture, Ousmane Moussa, le jeune d'aujourd'hui délaissent cette tradition au profit des cultures étrangères. Il est interrogé par Mohamed Moumane. jeunes du village après les récoltes, se réunissent avec les jeunes filles, s'amuser et danser le taquet. Une danse qui permet aux jeunes de se distraire. C'est une danse de réjouissance au départ. oui, c'est une danse de réjouissance après des récoltes parce que ça permet aussi de consolider l'unité régionale et nationale. Parce que il y a des villages qui s'invitent pour jouer des taquets. Maintenant, c'est même un peu abandonné. Parce que euh, avant, même dans la ville de Maradi, il n'y a pas un baptême qui va se faire ou un mariage sans danser le taquet. Chaque fois, si on parle de quelque chose qui va faire ressortir la région des maladies, il faut penser à la danse des taquets parce que c'est ça son origine. C'est l'identité de Maradis. Exactement, c'est l'identité culturelle des maladies. Comment se danse le taquet Les jeunes ils font un cercle, puis on prend des morceaux de bois, on tourne, on tourne, les deux coéquipiers tapent les deux bois, et ça donne aussi un autre rythme, en dehors du rythme des tam-tam, les bois, la tape aussi donne un autre rythme qui permet aux jeunes d'être galvanisés et la danse continue. En tout cas, si c'est le soir, jusqu'à minuit. Alors, quelle place occupe ce Takai dans la culture de Maradi Dans la région de Maradi, et surtout au niveau des manifestations culturelles, le Takai occupe une place de choix. Quand nous, nous partons au 18 décembre, quand on fait le défilé, dès que Maradi arrive, c'est le Takai qui fait la différence entre les autres régions et la région des maladies. Et c'est bien coordonné, malgré que les jeunes commencent à abandonner, mais quand même c'est bien coordonné parce qu'avant qu'on aille sur le lieu du défilé, on répète d'abord le Takai avec les filles, en tout cas euh, toute la délégation, et vous voyez le rythme est très bon. Vous dites que les jeunes aujourd'hui sont en train d'abandonner un peu cette culture, cette tradition. Alors pourquoi les jeunes sont en train de s'intéresser de moins en moins au Takai Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. On a beaucoup de pénétration des cultures étrangères, que nos enfants pensent qu'il faut prendre cette culture-là et laisser de côté sa propre culture. Mais maintenant, ça commence à revenir avec Pat euh, Patin parce que euh, maintenant, on invite moins les orchestres au mariage, au baptême. Donc, Patin même l'accoutrement qu'on porte, ça fait revenir l'ancienne culture que les jeunes sont en train d'avoir. Après le reportage régional, direction Stade pour CCQMP avec Adam Saïdou. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Bonjour Mariam, bonjour Akia. Alors, Adam, prenons la direction d'Agadez où la Ligue régionale a procédé au tirage au sort des équipes qui représenteront la région en Coupe nationale. Ah bien, eh bien, elles sont au total sept équipes de la Ligue régionale qui seront à liste dans cette compétition qui débutera à partir de demain 20 janvier au stade régional d'Agadez. À l'issue de ces matchs, deux clubs vont représenter la région pour la Coupe nationale le 12 février prochain. Souleymane Tourawa, secrétaire général de la Ligue régionale de football d'Agadez, et au, micro de notre correspondant Moussa Maman. Chaque année, la fédération organise des compétitions sur le plan national. Nous avions reçu une correspondance de la fédération dans laquelle on nous faisait savoir que les deux représentants de chaque région doivent être connus au plus tard le 12 février, ce qui fait que les, régions doivent normalement démarrer les éliminatoires. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes réunis ici, la Ligue et les clubs sous la présidence de la commission de compétition pour procéder au tirage au sort des éliminatoires régionales de la Coupe nationale au niveau de la région d'Agadez. Nous avions sept clubs au total de la Ligue régionale ici à Agadez et tous les sept clubs sont engagés. Le premier match qui va opposer Kausen et Bagazan. Le deuxième match va opposer Inter Sardona. Et le troisième match opposera AS Unichar contre Aigle, FC de l'Air. Kawar était exempté. Et cette fois-ci, nous allons prendre toutes les dispositions statutaires pour que les compétitions soient déroulées dans de bonnes conditions voilà eh, Adam parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations eh bien, hier, la deuxième journée a débuté avec plus d'engagement. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, s'est incliné face au Nigeria. Un peu plus tôt, la Guinée équatoriale a battu la Guinée-Bissau sur le score de 4 buts à 2. Alors, Adam, quel est le classement de ce groupe A Grâce à sa victoire d'hier, le Nigeria prend la tête du groupe A en égalité de points avec la Guinée équatoriale, 4 points chacun. La Côte d'Ivoire troisième avec 3 points et la Guinée et la Guinée-Bissau quatrième avec 0 points. Pour finir, Adam, quel est le programme d'aujourd'hui eh bien, cet après-midi à 15h, le Cap Vert jouera contre la Mozambique, à 18h, Sénégal contre Mali et à 21h, la Guinée-Conakry contre la Gambie. C'est la fin de cette page sport. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités sportives. Bon week-end à vous. Merci, Merci Adam. à toi. Et bonne journée à toi, Rekia, direction Tawa pour le portrait de notre étoile du jour. Bien sûr, Mariam, le portrait d'aujourd'hui nous amène à la rencontre d'une jeune Nigérienne du nom de Aminata Abdraman, une journaliste et communicatrice web. Fanta est allée à sa rencontre. Voilà, voici son portrait. Je suis communicatrice, animatrice, également journaliste. Amina, d'où cette passion pour le journalisme D'où elle vient Pour le journalisme, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée au fait. J'aime euh, venir parler, donner des informations, échanger et savoir que les gens m'écoutent. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et donc, euh, j'ai décidé de me lancer dans la communication et aujourd'hui, j'évolue là-dedans. Et euh, vous êtes à Adelot TV depuis combien de temps Maintenant, ça fait 8 euh, à 9 mois. Comment vous êtes arrivé ici c'est par euh, le net que j'ai vu des formations que voilà, Adair Africa TV donnait des formations. Comme déjà j'ai été formée à l'avance, je suis venue ici également pour continuer la formation, pour plus me perfectionner. Et à travers cela, j'ai été recrutée ici. Vous avez étudié où J'ai fait l'université d'Ottawa et euh, après, j'ai fait mon BTS. J'ai fait le droit. Mm. Après cela, je me suis lancée dans la communication Les entreprises. J'ai fait ça avec le BTS, donc j'ai euh, j'évolue dans la communication. Et euh, vous animez au moins combien d'émissions Quels sont les genres d'émissions J'anime deux émissions. Une émission dédiée aux enfants que euh, je pars à la rencontre des enfants. Et des fois même, je les fais venir sur le plateau, en échange, je leur fais des cultures générales, histoire de voir comment est-ce que ces enfants-là peuvent s'en sortir. Les inclure au fait. Amener ces enfants-là à savoir bien s'exprimer, tout ça c'est mon rôle. J'ai créé un espace au fait pour eux pour pouvoir se sentir plus à l'aise. Et la deuxième émission également est appelée Club d'écoute. C'est une émission dédiée à toutes les communautés toute une personne qui a envie de raconter une histoire, qui a envie de débattre sur euh, un thème, il peut nous toucher. Mhm. Également, nos thèmes qu'on lance euh, chaque semaine, à travers ces thèmes-là, si on lance, si la personne se sent concernée, si la personne peut débattre, au fait, peut venir. Mhm. C'est une oreille attentive de toutes les communautés. Quand tu as des préoccupations, tu peux venir vous êtes mariée, vous avez des enfants Non, je ne suis pas mariée. Pourquoi vous avez choisi de faire une émission pour les enfants Est-ce que vous avez quelque part euh, cette envie de... Oui, j'ai cette envie-là parce que... Euh, J'aime beaucoup les enfants et c'est ma première émission d'ailleurs. Quand on m'a demandé quelle émission je voulais faire, c'est automatiquement c'est l'émission des enfants qui m'est venue en tête parce que j'aime beaucoup les enfants. J'aime m'amuser <laughs> avec les enfants. Est-ce que vous avez d'autres activités en dehors de celle-ci D'autres activités pour le moment pas encore. Mhm. Mais vous êtes aussi formatrice Je forme également. En quoi En audiovisuel. Comme déjà j'ai été formée à, mon tour, moi aussi je forme les gens. En technique de prise de vue, journalisme, parce qu'on a fait tout ça. En shooting, en graphisme, tout, tout ce qui concerne l'audiovisuel. Mhm. Également, j'accompagne euh, les ONG et l'animation pour les prises de photos. Quand ils, sont, ils ont des activités, j'accompagne je peux aller faire deux mois avec une ONG en bourse. Et en tant que jeune fille, ça pose pas de problème Non, ça pose pas de problème puisque euh, on est famille, bien. Famille, par exemple, ou même dans la société. Non, dans la société, moi, puisque déjà c'est quelque chose qui me plaît en société, moi, <laughs> j'ai pas de ce, regard là le regard sur les femmes journalistes. Sur les femmes journalistes, moi, ce regard là, tant que je sais que l'activité que je mène, ça me passionne, la société n'aura pas d'influence sur moi. Oui, mais quand même, il y a... Il y a ce côté-là où la femme est, comment on appelle ça, est vraiment stigmatisée, que voilà, il y a des activités que les hommes font, que les femmes ne peuvent pas faire. Il y a ce côté de la société, mais quand même, des fois... en <laughs> fait, fait voilà. <laughs> Puisqu'il y a l'égalité, l'égalité, on veut coûte que coûte atteindre l'égalité des sexes. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, un autre tour à musique avec les titres Borkul Ania Magana de Danili et Kamikaze. ai bina mundi de donu gasoneia so ke se ma ba ai go ke fungu wa to ke go haro banda on the ground but gara kine de dare di bet in the badala koi ne mo ai geta sin the lighta hare de tel ke tare de ke tem pitila ai ka e mota kanga foi ga kusa ke ge di bona ndi wena ga no kul ke ga na bonde ga lok te ra ku vera boriango ku ai ga hey dani liga das bot dir ko ban ke madama okay So gain a allergy as one for a cote. Mafia, never never long I go get up la la la upstairs. Alhamdulillah, ni go gadi bata go gaste. Wouldn't say I church him to me, walk it go gaburu, the church and the love the charavan and mon in my bar my eyes. Yamu yamu bon afu yante se babize. I'm a ine, fada kulkara i pose. Halal vitroga chai promasiple, amoraga critique. Dani liwo takaduru, jero di de be mo di kai kai kai kai. Aniza kai. Bokulia magana nyezo Dihana no zilala no amenigana amenigana Bokulia magana way more Dihana no zilala no amenigana Picasso Enemies in the 985 Edana libor kan zimila no gil zamba Bokulliya magana yeizo Dihanna no dilala no amenigana amenigana Bokulliya magana waymo Dihanna no dilala no amenigana amenigana Kamikaze Enemies in the 985 Edana libor kan zimila no gil zamba Bokulliya zimila no gil magitala Chore thare sade yega thala meganera Yo yo yo yo Dani me sema Hungul zari tere mere oye jasa pafutai Voilà, chers auditeurs, c'était le titre euh, Barkul Ania Magana de Danili Kamikaza. Rekia, quel est le thème du loti d'aujourd'hui Eh bien, Mariam, euh, les dépenses énormes dans les cérémonies de mariage et les sujets abordés dans le loti de ce jour. Le plus souvent, la charge retombe sur le futur jeune mari, marié qui, pour se plier aux exigences de sa dulcinée, pourrait être contrainte de s'endetter. Quelle explication donner pour ces dépenses Réponse à suivre maintenant. Je ai ras le Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas On t'entend depuis la porte. Hum, vraiment, cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine. C'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeune mariée et des filles d'honneur aussi. Ah, d'accord. Tôt. Maintenant, c'est quoi le problème Hmm. cousine, le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les deux autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000 Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Justement. Mais pourquoi faire autant de dépenses ils auraient dû programmer les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Mais c'est quoi ces manières Allô Oui chérie, comment tu vas <laughs> Euh, justement, je t'appelle concernant les trois cérémonies traditionnelles. S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien Oui, mais je ne savais pas que ça demandait autant de dépenses, chérie. 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hé, hey, chérie, Bani, nous Walaïsé, Bakarano. Hé, eh, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de deux semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. John, je ne vais jamais te hey, Passe-moi le téléphone. Mhm. Belle sœur, nous te comprenons. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouviez faire les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Presque toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, non, non, non, belle soeur. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord. Faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le paix qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudras également vivre dans de bonnes conditions après le mariage ou bien? Oui, belle soeur. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. S'il avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire J'ai déjà informé tout le monde. Ah, ne t'en fais pas, ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces. En annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras, ma belle, comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée. Ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les trois tennis traditionnels, surtout nous les filles d'honneur. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi chérie d'avoir contesté ta décision. Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. <laughs> voilà. Merci également à toi cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais dû, pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi, frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi merci à toi également, belle-sœur, pour la compréhension. Tout. Puisque les trois cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien belle-sœur. <laughs> en tout cas, ton idée n'est pas mal. Ah ah, ah. Vous recommencez. C'est les Allemands qui disent oui, bon, Bon, d'accord, Imade, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. Ok, chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi, je t'aime, bisous. D'accord, chérie. Fais pareil de ton côté. À plus. Belle sœur bye. Bye bye. C'était la chronique loti rendue par Zenab Abdou Aminata Boubakar et Ismaël Amadou Harouna. Chers auditeurs, accueillons à présent Alamine Wacher pour la culture linguistique. Bonjour Alamine. Bonjour. Bonjour Alamine. Alors, euh, quel est le mot du jour oh, Le mot du jour aujourd'hui, c'est euh, les dialogues. Les dialogues, si on parle dans cette émission préférée de nos auditeurs qui nous suivent sur les radios partenaires, c'est-à-dire on va parler du mot dialogue les mots dialogue, c'est une conversation entre deux ou plusieurs personnes. Par exemple, un dialogue peut être sérieux comme il peut être rigolo. Un autre exemple aussi, c'est-à-dire que le dialogue peut être écrit ou parlé. Donc, euh, le dialogue veut dire beaucoup de choses. Peut être euh, un dialogue dramatique aussi. Mhm. C'est-à-dire ici, le dialogue, en ce moment où on vit une crise économique partout dans le monde, et plus particulièrement au Niger, euh, suite aux sanctions euh, de la CDAO et les autres institutions, mhm. on a apaisanté sur le dialogue on doit dialoguer entre nous, on doit se comprendre, on doit échanger. C'est ce qui veut dire de ces mots dialogue, donc c'est le moment de dialoguer entre nous. Datuma je un dialogue awalan ma de magre dan winta wagine gretina flegna we qalan shinite de ma de karat ifraga de qalde gena waligan sekatab ma de ga waligan stafer anta aso dialogue dialogue ان منك فلرت نمشي والفلرت نسقرا فلرت أما راني فراقر يقل أولي كان قريتي دن الشي مدى غوغر نيتي دان إيه فراقر يقلارتي هوسي مدى أور نهوسي Merci à pour euh, chers, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, Hausa, Zarmata, Machek ou Fulfulde. Pour votre, votre participation sera la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. نكي ماني سا اسمين غيسا قال خسن يا نكا لا بنكلار ايدا ما سنغر ميدا سادرغانا استديو كالنقو دا بنكلار هاري مي سادانا دا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله نكا واها ني ادا سا اسا تتقوا الزماتين هولين ديش دا غنا ونسسغري دسسغري نيتا دم توسنتن سلا منكر عليا سلا مغريدني سكوتني ولا زغانا ولا غمارن توغاز ديدا يسلا نقوتني في ماضا ندماجيا كم تبارك الله كل هاركلا الحكومة إلى الدبارة ولا تجا الحكومة يتلقى كل تزاز قارتن سهول لنا يا الدماتين تي تساسا كايما نسا لانت يا كوتنين دعوة الدقة لنا أصوات دعا الخير تم قصيتر الحكومة تقول يندقى الدبارة تبيتكل الخكم كل ست تلقى لقاوين هل تنقل تصاصا وطين تلقى بارك تسال ساس وترى استوديو كلام كلانغوي منيس آه، تهرت ميسمو ساسون قوم دات تاجين على قيم ديق تالسا اصصي ودنا نمو ساس دات تعوضهم قوم دا استوديو ستين توكي هتعوض سلان فلا سمرا يا ريزو وان تلفون باستيلا تدم راديو تناس كاندنا سدركن دونك هذا هذا تنن نسادي توغا غارد سند دغريا جاين دا د پام پرم پو سیواد میلارا جون سکولا دي سدرك تو زانا ني سلان التلقى يسمو كلا سي تاغن هونغم دا آه، ما شاء الله نستي زاري تي من نسا سنتا فلا ني ما ني سي من نس فادا من كلاري يوسف اللي وتي من نس سكنا قين تو توليت آه، هولا غينا هل دعني ما تيار تنس في نيمي باكم بتوري المصطفى هي كسارة قال إشجينا نيتيديان أهو لغينا ين الكويني أرتيسا ونزقان نسينو 50% أنت ذاك نقنتو هالتي هنا يونيفرسيتي وان نيامي أهو غينا إيماني سا سيورا نغا مختار قيمان دغا كالوادنا تنبورا ترارت أهو غينا سعيد أكلوغ بتا هنا نيامي هولا غينا عبد الكريم مك أبو با يقي من دق تيارا هولا غينا مكة ولا تغالي تقي من دق تيارا نقت توال تولي بريما من أنا بيلم استديو كالانغونا سيدا سبودا سكابة ناني من دق هبروجي دي دورا أي سكابة كودة دم باتا كي نانتو أوني فوندر لونغو نيجر أنا um يمو هوكي ra'ayi mako e dow ko kuɗe ɗe watta gaskiya ɗum nder ittan ɗum yam harka puufe ndamma to goto mi nani suka ummake e hoore mum na gomnati nanngani ɗum hano e hoore mum waɗi projet mum goɗɗum ɗum huwanta hoore muɗum ha ɓezza inare nde woni gaskiya mi nana belɗum majum sare amma to mi nani habaruji ɗe dokkata ko ina kominji pamari ma a nane dokkoyɗi mum en gaskiya ɗon nanemi belɗum majum sare ɓawa noon kenan sa ɗum dokki en to goo ta damare nanki nan radio kenan da kama sati keɓa ɓe bittinoya habaruji ɗe mbaɗi ɗi mahimmanci mahimmanci e bitti habaruji jontitande kenan wittinaɗi tagu nanaɗi kenan to heɓa nani nder sati ɗi nana yo witte nantoɗi ni o ɗi hanjum ne ni shawara kando Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie, espérant que vous avez également apprécié. Vous étiez en compagnie de moi-même Raki et Maria Mahdi. À la technique, c'était Mustafa Ayouba et Adama Dawaki à l'édition. Chers auditeurs, le studio Kalangu a euh, d'autres programmes. N'oubliez pas de suivre le, les journaux quotidiens en cinq langues à partir de 17h et ce du lundi au vendredi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'actu des jeunes en Hausa. Et moi en Tamajek. Excellente journée à vous. Bye bye. Il est temps, il est l'heure. On tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Ah, ah, Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.